le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro Senia Yubakaka. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz et Anfani FM 100 MHz et Kwarategi FM 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozirin, Magaria, Menesoroa, Tamaské, Bouza, Dorbel Saï, Walam, Dogondouti, Madawa, Dakoro, Tanout, Tera Kabalewa et Ngingimi. Notre page Facebook Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org. Chers auditeurs fidèles du forum du studio Kalangou, aujourd'hui nous parlerons du problème de l'assainissement dans la ville de Niamey. L'assainissement est une démarche visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement dans ses différents composants. Il comprend la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets liquides, des déchets solides et des excréments. Ces matières incluent les eaux de pluie, du drainage, du lavage, les eaux usées et ou provenant de toilettes et les déchets solides. Ces derniers ont différentes origines domestiques, agricoles, industrielles, médicales. L'objectif euh, principal est la prévention du contact humain avec des substances dangereuses. Les dangers issus d'un mauvais assainissement sont multifactoriels pouvant être à la fois physiques, microbiologiques, biologiques ou encore chimiques. Tout laisse croire que c'est dans les grandes villes que le problème se pose avec acuité. Par manque souvent de caniveaux, les habitants de certains quartiers se trouvent les pieds dans l'eau après de fortes averses. Pour certains, si le problème de drainage des eaux de pluie se pose sérieusement en période hivernale à Niamey, c'est parce que certains quartiers ont grandi sans que les réseaux de canalisation ne suivent. Et même quand ils existent, ils ne sont pas entretenus et ne remplissent pas leur fonction d'évacuation et pire, entravent aussi l'évacuation des eaux usées. Les caniveaux sont construits pour faciliter le drainage des eaux de toute nature mais ils sont devenus des lieux où l'on déverse les ordures. Les populations, par manque de civisme, ne voient pas l'importance de ces caniveaux réalisés par les mairies pour les mettre à l'abri des sinistres tels que les inondations, les pollutions et autres nuisances. Dans de nombreux pays, notamment en développement, le financement des services publics d'assainissement ne sont pas assurés. Dans d'autres, le financement peut se faire au travers des taxes et impôts en général liés aux fonciers. Nos invités pour en parler, Bourema Daouda, agent donc de Balarbe Assainissement. Bourema Daouda, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce forum du studio Karango. Ah, Dambaji Son Allah, acteur de société civile. Dambaji, bonjour. Bonjour, c'est. L'objectif principal de l'assainissement est de protéger et d'améliorer la santé humaine en brisant le cycle de transmission des maladies hydriques. L'assainissement est fortement lié à la santé publique en raison de nombreuses maladies liées à un milieu malsain. La proximité avec les eaux usées peut engendrer des maladies à transmission fécale-orale, diarrhée, typhoïde, hépatite, choléra ou liées à un vecteur, exemple le paludisme. D'autres maladies sont également liées à un mauvais assainissement de base et en particulier à des latrines défectueuses ou inexistantes, (bilharziose, nématodes ou autres vers. Monsieur Dambaji sont là, vous êtes acteur de la société civile. L'assainissement vise à évacuer les eaux pluviales vers leur milieu naturel. Quel est l'état de ces mécanismes d'évacuation mis en place euh, aujourd'hui à Niamey selon vous, votre constat Et est-ce qu'ils sont aujourd'hui suffisants Merci Saini, et nous remercions le groupe euh, Studio Kalangou pour l'occasion ou l'opportunité que vous nous offrez effectivement pour se prononcer par rapport à ce problème, un problème extrêmement sérieux parce qu'il va de pair avec la santé de la population. Quand il s'agit par rapport à votre question, euh, je pense bien que vous-même, avant d'introduire, avant d'annoncer même le chapitre, en réalité, vous avez fait une introduction. Mais c'est la même chose avec l'histoire d'assainissement. Il faut introduire, c'est-à-dire euh, créer les points saillants qui vont permettre en réalité et, l'évacuation de ces déchets. Mais qu'est-ce qui se passe Si vous vous rendez compte, effectivement, le moment où le schéma directeur, l'ancien schéma directeur de la ville de Niamey, par exemple, quand vous prenez, ou de la majorité des grandes villes, en ce temps-là, on impose, avant toute attribution des parcelles, les caniveaux. Ensuite, les dispositions sont prises effectivement pour l'évacuation de ces déchets et que, après avoir appliqué cela, les services qui sont compétents à la matière de pouvoir les faire ils sont suivis de trop près au nom de l'autorité de l'État pour qu'ils fassent leur travail. Et vous avez vu, il a fallu ces dernières années pour qu'on soit confronté à ce problème. Et pourquoi La raison est toute simple. Nous avons constaté qu'il y avait une libéralisation en réalité de l'attribution des parcelles. Et en ce temps-là, l'État n'a pas pris, ou du moins les acteurs de l'État n'ont pas pris de dispositions pour que ces dispositions en réalité de base, c'est-à-dire le schéma directeur, avant d'attribuer ou du moins qu'un privé puisse élaborer ou du moins assainir ou créer les conditions de, répartition de ces parcelles, que l'État l'impose, ce schéma directeur. L'existence de ces caniveaux. En réalité, l'existence des, des, places publiques qui vont permettre effectivement de dépôt des déchets et ensuite la communauté ou du moins le service compétent vient ramasser. Mais quand vous vous rendez compte Néanmoins, aujourd'hui, les nouveaux quartiers sont plus nombreux que les anciens quartiers. Et tous ces nouveaux quartiers ne connaissent jamais, n'ont jamais connu ce dispositif à réalité, à réalité fondamentale pour pouvoir évacuer ces déchets. Mieux et plus grave, vous vous rendez compte effectivement que ceux qui sont appelés à effectuer ce travail, qui sont payés au nom de l'État, et qui sont en réalité des gens qui ils sont là pour ce travail, vous avez, nous allons rentrer dans le vif du sujet, vous allez vous rendre compte quand nous rentrerons dans le vif du sujet, vous allez voir que, en réalité, les gens font autre chose. Ils, constituent la gestion des villes comme un système de mafia, comme un système de business, comme un système de regroupement des parents, amis et connaissances. Et mieux, ils appuient ça avec les considérations politiques et politiciennes. Et ils croient qu'en réalité, que la ville ne se, limite uniquement à l'attribution. Comment pouvoir s'octroyer des, parcelles Comment pouvoir créer une mafia organisée pour qu'au nom de cette ville, au nom du système sanitaire de cette ville, c'est-à-dire eh, l'évacuation de ces déchets, comment pouvoir créer sur les papiers des dépenses et en réalité, dans le fond, aujourd'hui, dans la pratique, il ne faut rien. Donc, c'est des choses comme ça, le cumul de tous ces facteurs qui aujourd'hui est arrivé à son paroxysme, aujourd'hui, on est bloqué. Aujourd'hui, constatez-vous de vous-même, effectivement, même les anciens caniveaux qui drainaient les eaux de pluie, aujourd'hui, ils ne sont plus fonctionnels. Et ça fait longtemps que nous crions, nous demandons et nous avertissons en réalité. Ceux qui sont là pour ce travail, les gens nous ont considérés toujours comme des gens qui veulent toujours avoir des problèmes sur la tête de quelqu'un. Or, nous, nous savons très bien que ce jour-là va, venir et ce jour-là est venu. Et vous voyez, même maintenant, ceux qui sont en train de se battre sont en train, en réalité, ce soi-disant autorités compétente, si elle existe des, communes, ce qu'ils sont en train de, faire, c'est de la chimère. Ça ne va jamais résoudre le problème. Ça ne va jamais résoudre ce problème parce qu'ils ne l'ont pas pris à, un niveau, à sa racine. C'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est le concret qu'on veut. Et aujourd'hui, ils sont là en train de, se réunir. Réunir pour faire quoi Il n'y a pas de dispositions légales qui sont là. Il n'y a pas de, chemin directeur qui est là. Il n'y a pas les, les, a priori qu'il faut poser pour qu'ils évoquent ces déchets. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. C'est des histoires. C'est avec ça, effectivement, qu'ils continuent à berner le peuple. Comme le président de la République est sorti, effectivement, il a tenté de taper, donne la raison nous, dans tous les cas, nous nous le disons. Et effectivement, je sais très bien que le président de la République, ce n'est pas cette fois-ci seulement qu'il a su qu'il y a l'instabilité au Niger. Nous savons qu'effectivement, quand nous rentrerons dans le sujet, nous allons revenir donner notre point de vue par rapport à ça. Mais seulement, ce que nous savions, c'est que ces autorités compétentes communales, qu'ils se disent une chose, qu'il est temps de cesser de tromper le peuple. Parce qu'ils ne vont plus continuer à tromper les gens. Et j'ai dit, et je le répète, je le maintiens, c'est tout notre problème, je vous dis que c'est la situation politique et politicienne. Regardez ces autorités compétentes des villes où on sait très bien qu'ils sont, à terme de leur mandat. Et la loi, quand elle a prévu ça, c'est pour qu'il y ait aussi des suivis. Si tu as mal fait pendant ton mandat, le peuple lui-même, au nom de la loi, elle va te sanctionner à travers le vote. Et les gens ont refusé de le faire. D'accord, on Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont arrivés à un moment où ils se croient, ils sont intouchables et qu'ils sont permis de tout faire et qu'ils ont la latitude de faire tout ce qu'ils veulent. D'accord, on va revenir. D'accord. Plus on, On va revenir à vous. Euh, dommage que justement la, la mairie, bien que invitée, n'a pas pu euh, se présenter à ce forum du studio Kalangou. Bourema Douda, vous êtes agent de Balarabé Assainissement. Assainissement Assainissement est un partenaire de la communauté urbaine du Niamey. Étant partenaire, vous avez certainement des informations justement par rapport à cette question des mécanismes d'évacuation mis en place. Est-il insuffisant Qu'est-ce qui se passe exactement Qu'est-ce que vous pensez D'abord, euh, avant de répondre à la question, je veux d'abord euh, faire l'état de lieu pour euh, tenter de donner les raisons de problèmes d'instabilité au niveau de la villa de Niamey. C'est vrai, sont là a commencé par euh, l'évoquer, le non-respect du schéma directeur euh, d'aménagement et d'urbanisme. Et si on n'arrive plus à avoir, parce que moi je me pose même la question, si Namé disposa d'un d'eau, donc d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Parce que si tel est le cas, normalement, quelles qu'en soient les conditions dans lesquelles la, ville est en train de, de s'élargir, normalement, on devait d'abord faire une mise en valeur avant l'attribution des parcelles. Et même quand on donne les parcelles, au niveau de ces schémas directeurs, il y a des mécanismes qui sont très clairs. Normalement, avant même de construire quand tu payes ta parcelle, tu dois d'abord disposer de ce qu'on appelle là un permis de construire. Ah Pourquoi ce permis de construire Parce que quand on permet à tout un chacun de faire n'importe quel type d'infrastructure à sa guise, parfois ça peut être la cause de l'insalubrité, surtout des inondations. Voilà pourquoi, avant de construire, il faut d'abord chercher l'expertise des experts de la mairie avant de commencer. On ne l'applique plus, les citoyens ne l'appliquent plus. de que tu payes ta parcelle, tu fais n'importe quel type de construction. Parfois, ce sont les populations même qui sont responsables des situations d'inondation. Maintenant, pourquoi la ville n'arrive plus Parce que depuis un certain temps, la ville de Namé n'arrivait plus à résoudre le problème récurrent d'assainissement. Parfois, quand on essaie de faire l'analyse, on peut dire c'est parce que la ville est en train de s'agrandir très rapidement. On a environ 1 million de personnes au niveau de Niamey, même si c'est 1 kilo de déchets par personne. ça fait donc par jour 1,5 million de kilogrammes déchets par Ça veut dire quoi Puisque la mairie peut être consciente, si vraiment elles sont organisées, du niveau de déchets que la population peut produire par jour, alors la mairie doit se donner les moyens pour évacuer au jour au jour l'ensemble de ces déchets. La mairie a laissé la situation jusqu'à ce que elle, est confrontée à une situation, une situation où elle ne sait exactement plus quoi faire. Maintenant, en revenant, parce que nous, nous sommes partenaires, parce que c'est parce que nous étions conscients de ce problème d'insalubrité et nous connaissons les conséquences de l'insalubrité pour la population. Voilà pourquoi je vous donne l'historique, même ce qui nous a amené à créer Balarabi. Voilà pourquoi, d'abord, au départ, au nom de notre association, nous avons voulu aider la ville de Niamey à régler le problème d'insalubrité tout en en essayant de lutter contre l'oisivité et le chômage des, jeunes. Donc, à partir de, grâce à l'ANPDDJ, nous avons donc commencé par utiliser un certain nombre de jeunes donc, qui n'ont pas d'activité pour commencer par balayer et évacuer les déchets au niveau de la ville de Niamey. Donc, euh, moyennant un certain nombre de sous, en tout cas, on le dit, qui est même au-dessus du SMIC. Donc, euh, on a commencé. Finalement, on a vu qu'en réalité, et même la mairie, en tout cas, a vu qu'en réalité, c'est juste des problèmes d'initiative, des manques d'initiative qui ne permettaient pas à la ville de rendre, d'être propre. Et on a évolué vers la création de la société. Parce que, avec euh, l'association, on est arrivé à un moment où on n'a plus les moyens et les capacités pour utiliser le nombre de jeunes qui sont intéressés à la chose. On a créé la société au départ avec 600 agents et, en l'espace de 6 mois, on s'est retrouvé avec euh, plus de 1000 jeunes qui travaillaient donc euh, et on peut même les constater chaque nuit de la ville de Niamey en train de nettoyer les rues et évacuer les déchets. Et vous allez comprendre là où c'est marrant, pourquoi la situation est pour Parce que lorsqu'on a commencé, toute la population de a quand même commencé par constater que les rues ont commencé par être propres. Et après, on a constaté que cette même société est en train de revenir. Pourquoi Parce qu'il y a eu un problème réel au niveau de la mairie. Donc, une institution qui est chargée de faire la voirie, de faire l'assainissement, de rendre une ville propre, d'améliorer le cadre de vie des citoyens, qui d'abord peut faire huit mois sans payer ses agents. Ça veut dire que pendant tout ce temps où les agents de la mairie n'étaient pas payés, les autorités municipales n'ont aucun pouvoir sur ces agents pour leur demander d'abord d'aller travailler. Parce que quelqu'un qui a fait six mois sans salaire, vous ne pouvez pas l'obliger à travailler. Et nous-mêmes, en tant que partenaires, c'est vrai, on continue. Et vous allez voir, ils sont en train de casser même notre élan. Je vous parlais tantôt de 1000 agents que nous utilisons pour le faire. Est-ce que vous savez que ça fait 14 mois la mairie, la ville de Niamey, n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis de l'arabe Assainissement, malgré que nous continuions à faire cela. Ce qui fait que la majorité de nos agents étaient obligés de démissionner. D'accord. Parce qu'on peut pas. Maintenant, vous allez voir, on est en train de voler Ces conséquences-là ont fait en sorte que le président de la République lui-même, parce que lui, dès qu'il est raté, il dit qu'il veut faire de Niamey un programme Niamey-Niala et la même, même haut commissariat. C'est vrai, on ne doit pas avoir confusion de rôle entre le haut commissariat Niamey-Niala et les autorités municipales. Le haut commissariat mhm. Niamey-Niala, c'est vrai, normalement, devait faire une partie de ce qu'il est en train de faire maintenant. Oh, Dambaji La question de l'assainissement de la ville de, de Niamey est une des raisons de la révocation du maire central de la ville de, de Niamey récemment. Euh, selon vous, quel est le niveau de sa responsabilité sur ce sujet et celle des autres maires des arrondissements Merci Je pense bien que euh, le problème de salubrité au Niger, ou plus précisément à Niamey, qui a été dans tous les cas à la base euh, de la révocation du président du Conseil, moi, je pense bien que là, moi, je n'ai rien à. Je ne suis pas là pour défendre ce, monsieur parce que je ne le connais même pas. Il n'a mmh. aucune affinité. C'est un citoyen quand il est victime de quelque chose, je doit le défendre en tant que défenseur du droit de l'homme. Je pense bien que c'est une responsabilité partagée. Et il n'est pas le seul responsable. Il faut que ça soit clair. S'il y a aussi l'insalubrité ici à Niamey, il y a le conseil, il y a les cinq maires, après le président, et il y a même lui-même, le haut commissaire de Niamey, là. Parce que nous les voyons. Il ne s'est pas limité à construire des infrastructures. il se pointe pour balayer les rues et autres avec les jeunes. Ça veut dire que et lui, et la communauté urbaine, tous les responsables, c'est-à-dire les cinq maires, plus le président du conseil, plus le ministre des villes qui doit être interpellé, parce que c'est sa responsabilité aussi. Il doit vous donner des explications à la matière, si on veut sectionner. Parce que quand il y a une responsabilité, et si elle est collégiale, tous les acteurs qui ont contribué à cette situation, ils doivent répondre, de près ou de loin. Nous, c'est pourquoi, en réalité, on était sceptiques à dire que est-ce que réellement c'est à cause de ça que lui, il a été révoqué Parce que si on fait un, aperçu rétrospectif par rapport à ce qui s'est passé, vous vous rappelez, comme l'avait dit Bourema, à un moment, les agents de la communauté urbaine de Namé ils ont eu six mois d'arrêt des salaires Et le ministre des Finances était sorti, il a dit que c'est la mairie qui gère et que l'argent l'a à la communauté urbaine. Et quelques jours après, le même président du conseil était sorti, il a dit faux, c'est pas vrai. L'argent est au trésor, plus de 3 milliards. Et lui, c'est en fonction des ponctions, on lui fait des petites ponctions. Et il a dit la plus grosse ponction qu'il a eue, c'est avec l'arrivée du président français. Il l'a dit. Moi, depuis qu'il a dit ça, j'ai dit le gars-là, il est cuit. Parce qu'ils ne vont pas lui rater. Et aujourd'hui, moi, de ma compréhension, je ne dis pas. Réellement, c'est ça. Dans ma compréhension, il a été victime du fait qu'il a fait qu'il a créé une contradiction entre lui et ses chefs hiérarchiques. Et quoi de plus normal, parce que même lui, c'est un politicien, il doit se défendre pour demain. Et aujourd'hui, moi, à sa place, il doit s'estimer heureux par rapport à ça, mais victime. Je dis bien victime d'une injustice. C'est clair. Parce qu'il n'est pas le seul qui a une même mise dans cette situation qui a dégénéré aujourd'hui dans le contexte actuel. On a fait en réalité et, on a posé les jalons de ces causes fondamentales de cette euh, insalubrité à Ce qui est sûr, c'est que les responsabilités sont partagées. Et il faut qu'on accepte le principe qu'au Niger, la loi doit être impartiale quand on veut l'appliquer, on l'applique. C'est la responsabilité, effectivement, le président de la République face à cette situation il doit s'assumer. Moi, j'aurais aimé qu'il s'assume jusqu'au bout. Et qu'il s'assume jusqu'au bout, tout celui qui a une petite portion de responsabilité dans ce problème, qu'il l'évacue. Rien personne n'est indispensable dans la gestion de l'État. Je pense bien que cela, ça va au moins donner un coup dur sur ceux qui vont continuer à croire que, au nom de l'aspect politique et politicien, ils peuvent écarter l'intérêt général pour juste assurer leurs sales besoins. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre. La mairie, tout ce qu'elle a magazine comme l'argent, regarde même leurs partenaires. Ils n'arrivent pas à honorer durant 14 mois. Mais bon sang, l'argent là qu'ils sont en train de recouvrir, malgré que lui, il a dit qu'il verse au trésor, ça va où Et si on veut être sincère et objectif, le chef d'État doit créer les conditions qu'on lui fasse la situation réelle, nette de ce qui se passe, la rentrée et d'où ce que l'argent est sorti, parce qu'il est parti. Parce qu'au-delà de la comité urbaine, ça peut être que même dans son rang ministériel, il y a ceux qui ont fait même base sur cette affaire. Donc, il faut que ça soit clair. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de dire, je le dis que c'est de la poudre aux yeux. Parce qu'il y a un minimum. Aujourd'hui, même si on veut rendre la ville propre, il y a un minimum de conditions qu'on doit créer. Vous prenez, c'était à une date récente. Niamey, dans chaque quartier, vous allez trouver au moins un conteneur de déchets où chaque famille, quand elle balaye, elle amène ça, elle dépose là-bas. Et les véhicules de, la mairie, il faut le tour par semaine pour ramasser un ministre. Est-ce qu'il y a ça maintenant Ça fait combien d'années Aujourd'hui, même si on rend tous les goudrons propres, par exemple, et elles sont en train de faire un travail en réalité, ils sont en train de balayer, mais en même temps, on crée les conditions de mettre des nets, de, de faire leur travail en réalité, de le rendre nul. Parce que même s'ils balayent, aujourd'hui, ce que les gens vont faire sortir de leur maison, mais ça sera drainé. Sur le goudron, et en rien de temps, vous allez voir que le goudron devient sale. Parce que quand ils font leur passage, 24 heures après, vous avez l'impression qu'ils n'ont rien fait. Parce que, en réalité, ils n'ont pas été aidés et ils ne sont pas aidés pour que ce travail soit plus fiable. Et par qui Par cette même collectivité, la communauté urbaine. Et aujourd'hui, mieux, lui, le président de la République, il a son représentant de la communauté urbaine aussi. En l'occurrence, le gouvernorat. Quelle est la responsabilité du gouvernorat durant tout ce temps-là Il a fallu que le président de la République descende de la présidence jusqu'au niveau de la communauté pour prendre ses responsabilités. Et tous ces gens-là qui sont en train de le représenter et qui sont, en train d'être entretenus sur le fond du contribuable au nom de cet État pour faire ce travail. Et pourquoi ils sont là C'est ça la question. Parce que je vous dis, la responsabilité, elle est partagée. Et vous avez vu, tous ceux qui se sont sentis en réalité interpellés, ou du moins qu'ils se sentent coupables, vous avez vu aussitôt la réaction du président de la République. Tu vois tout le monde dans la rue, y compris même le gouverneur sait très bien que cette affaire-là, si on suit la logique des choses et on essaie de situer la responsabilité, même lui, il doit répondre. Bourem Daouda, en tant que partenaire de la mairie, euh, pour vous, quel est le niveau de responsabilité du maire central de la ville quand on sait que après, juste après sa révocation, un des syndicats de la, de la même mairie disait qu'il n'est pas effectivement le seul responsable parce qu'il y a un comité de trésorerie qui regroupe tous les maires. C'est à ce niveau qu'on décide de ce qu'on doit faire des fonds, justement, euh, des recettes de la mairie. En réalité, c'est vrai, le maire central est le premier responsable de la ville de Niamey. Mais ce que les gens oublient, c'est que le maire central ne fait qu'exécuter les décisions du conseil. Il y a le conseil, ça veut dire quoi S'il y a un problème, de gestion au niveau de la ville de Niamey. Moi, j'aurais voulu, parce que j'étais à Tilabiri quand j'ai suivi le conseil des ministres qui a démis le maire central de la fonction. Mais moi, j'aurais voulu que le conseil des ministres aille plus loin avec euh, la dissolution, l'ensemble du conseil de ville de Niamey. Parce qu'ils ont une gestion collégiale. Tout à l'heure, à euh, Dambaji, ils sont allés parler des cinq maires. Il y a peut-être euh, des paramètres qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, ces cinq maires me font pitié. Vous savez pourquoi Quand vous regardez la gestion de la ville de Niamey, en réalité, les cinq maires-là, les cinq arrondissements, on leur donne juste un budget de fonctionnement. Toute la gestion, la gestion de leur propre arrondissement est gérée au niveau central. Alors que normalement, la logique veut, pour la question d'assainissement, que ce soit une question de proximité, que chaque arrondissement ah s'occupe de, sa propre, de, propre, son assainissement. Mais malheureusement, ces cinq maires-là n'ont ni engin, ni les moyens pour agir au niveau de leur propre entité. Et vous allez faire le constat. Il a fallu attendre l'intervention du président de la République avec la destitution du maire central pour que cette fois-ci, au niveau central, la ville de Namé comprenne qu'on doit impliquer les maires d'arrondissement dans la question de l'assainissement. Voilà pourquoi vous faites le constat qu'il y a une petite amélioration des innovations par rapport à ce qui s'est passé dans le temps. Vous allez faire le constat, cette fois-ci, juste après l'intervention du président de la République, on a commencé par décentraliser. Est-ce qu'il y a le matériel du travail, les engins Il que y a le matériel, mais tout est concentré au niveau du garage municipal. Et il faut donc toute une chaîne pour, pour, pour, pour au niveau central, on dit, OK, il faut aller. comme si c'est par tâtonnement. Va dégager tel endroit, va dégager tel autre endroit, alors que le concerné celui qui est censé gérer l'entité, il est mieux placé pour connaître exactement où hmm. se posent avec acuité les questions de salubrité. Et vous avez vu, lorsqu'on a commencé par leur donner des parcelles de responsabilité pour la gestion de leur entité, ils sont en train de, les faire chacun, donc dans son entité, ils sont en train de dégager des ah. ordures. En réalité, c'est tout le système. Hein. quand on rentre là, on parle, c'est pas seulement au niveau de la ville. Tout le système, en réalité, on parle de décentralisation, mais en réalité, il n'y a pas d'autonomie de gestion au niveau de ces, des collectivités territoriales. Je me rappelle un jour, euh, lorsqu'ils ont fait une journée des municipalités, j'ai posé la question aux représentants du ministre de l'Intérieur. On est dans une décentralisation. Je leur ai posé la question, mais pourquoi nous on, toujours le principe de l'unicité des caisses et que l'État refuse de verser à temps les fonds de péréquation. C'est que l'État devait verser aux collectivités territoriales en fonction de leur budget. L'État ne leur donne pas. Ça veut dire quoi En suivant la chaîne, du niveau central jusqu'au niveau décentralisé, tout le monde est responsable. Je ne sais pas pourquoi on refuse de donner l'autonomie aux, autorités communales. Parce qu'en leur donnant cette autonomie, c'est en ce moment en réalité, Parce que dans tous les cas, l'État n'a rien à craindre, craindre. Il y a les autorités élues, mais l'État, son représentant, qui assure la tutelle. Ça, ce, sont les, ce sont les préfets, ce sont les gouverneurs, c'est eux qui assurent la tutelle. Maintenant, si on a responsabilisé ces autorités, mais le rôle de, celui qui doit assurer la tutelle de, ces, entités, c'est de rendre, de faire un rapport pour, pour que des mesures adéquates puissent être prises pour des maires qui sont indélicats. Mais quand vous, quand vous en faites fait, le problème, si je vous comprends, si ce système n'est pas changé, quels qu'en soient les maires qui seront là, qu'ils soient des maires ou des administrateurs délégués, le problème euh, va, rester. Écoutez, quel qu'en soit celui qu'on amène, tant qu'on ne donne pas la liberté de gestion aux collectivités territoriales, je vous dis que ça ne peut pas marcher. Je vous prends le cas de, la ville de Niamey. Mme vient de, vient de parler du problème qui a opposé le ministre des Finances et le, maire, central, de la ville de, de Niamey c'est une question de fonds, n'est-ce pas Le ministre de l'Intérieur dit que ah, la mairie a ses propres fonds, c'est à la mairie de gérer. Le ministre en central est sorti pour dire non, l'argent de la mairie est logé au niveau du trésor et que la, mairie ne peut pas avoir accès à, ses propres fonds. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez l'amérique aujourd'hui, la mairie fait des programmes. Si on n'arrive pas à mettre la ville dans les, conditions le permettant d'exister ces programmes, les conditions matérielles, quelle qu'en soit la volonté, des hommes qui sont à la tête de l'entité, ça ne peut pas marcher. Et on est victime de ça, je vous l'ai dit. C'est vrai, il y a des choses. Je dis qu'on est en train de travailler, mais pourquoi on n'arrive pas à nous donner Pendant 14 mois, on a réglé tous les problèmes de tout. Si la mairie a de l'argent, on demande d'aller au trésor. Nous, nous ne nous, nous, sommes pas en train de, fournir des papiers ou des, ou des, des tables bancs. Nous sommes en train d'utiliser des, des, êtres humains qui sont en train de travailler de 22h jusqu'à 3h, 4h du matin. On fait 14 mois euh, on n'arrive pas à, nous, à, débloquer rapidement des Mais Écoutez, pensez-vous qu'on on a la possibilité de tenir Et le savent quand on fait l'analyse. Pour... Dans sont là, il y a la mairie, le ministère de la Ville et de la Salubrité urbaine, le programme niamey trois structures différentes mais créées toutes par l'État. Euh, d'abord, entre ces trois, qui gère cette question de salubrité Et exactement, est-il nécessaire de disposer de toutes ces structures pour cette question d'assainissement et merci, Seini. Euh, au nom de la loi. C'est clair, tout est clair. Les collectivités sont gérées par les élus. C'est clair. Toute ramification qui sera faite, je pense bien que c'est au nom d'une quelconque coordination des activités. Et la loi était claire. Vos collectivités sont gérées au nom du système démocratique par les élus. Et que la loi a prévu effectivement, en fonction de la situation de la caisse de l'État, de rétrocéder le fonds nécessaire pour que ces collectivités puissent faire leur travail. Et aujourd'hui, c'est à quoi on est confronté et on veut faire simulacre pour empêcher de voir la triste réalité. C'est vrai, la mairie a ses responsabilités, mais il faut en tenir compte aussi de cette réalité qui est là. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, moi je suis un élu, sinon ce que les jeunes ne comprennent pas, un conseiller élu, communal ou départemental, est plus représentatif qu'un ministre. Hein. Parce qu'un ministre, c'est un décret. Ce n'est pas un élu. Donc, ces élus-là qui sont au niveau des collectivités-là, ils font partie des maillons, des éléments essentiels du maillon de la démocratie. Parce qu'ils sont élus, comme le président de la République a été élu, comme les députés ont été élus, ils doivent être respectés de leurs prérogatives prévues par la loi. Et aujourd'hui, du fait qu'on met trop de sentiments, qu'on considère qu'en réalité, on a raté le fond à la base parce que les jeunes ne laissent pas chacun aller défendre en réalité son idéologie et sa compétence devant le peuple. Il faut toujours faire les simulacres. Et c'est pourquoi je vous dis toujours le fond du problème, c'est à la base. C'est au niveau même par rapport à la gestion même du système démocratique au Niger. Parce qu'on ne laisse pas le processus. pourquoi on exige ainsi qu'il y ait des élections libres et transparentes. C'est pour qu'on puisse élire des gens qui sont à la hauteur du pouvoir et qui ont la confiance de ce peuple, qui déjà là demain ce peuple peut avoir la main peut mettre la main sur eux pour leur dire arrêtez ce que vous faites n'est pas normal et c'est prévu par la loi. S'ils refusent à la fin de leur mandat, la loi donne aussi en réalité le manœuvre, les, les marges de manœuvre au peuple pour pouvoir sanctionner et ensuite prendre euh, quelqu'un pour le placer qui va faire le travail. Et c'est ça le, nom de l'alternance. Quand les, ils ont décidé de ne pas faire ces élections locales, je vous dis que on s'était, en réalité, on s'est senti offensé. Parce que nous savons très bien que ça, ce sont des, conséquences collatérales de, ce refus. Hein. Et parce que maintenant, on va rentrer même dans le pire des cas. Parce qu'aujourd'hui, on va les démettre et on va et, nommer des administrateurs délégués. On va nommer qui on veut. On va nommer qui on veut et au nom de quoi Au nom des principes du groupe, de l'idéologie du groupe ou au nom des principes politiques ou politiciens. Et en fin de compte, on sera nulle part. On risque d'être au rabais. et avec la création, pour répondre à la deuxième séquence de la question, je l'ai dit que vous ne pouvez pas espérer en réalité un résultat concret et efficace en situant toutes les responsabilités pour un seul fait voilà ce que la loi a prévu comme responsable de ces acte. Vous créez d'autres situations qui n'est pas qui, qui, rend ça trop compliqué. Parce qu'aujourd'hui, en créant un haut commissariat au niveau de la présidence, ça il faut le dire, il ne faut pas avoir le, de refuser de le dire. Aujourd'hui, ça entame même la crédibilité de l'influence de ces collectivités dans la gestion de l'insalubrité de au niveau de dynamiques. Parce que entre toi qui est au niveau des collectivités, parce que nous connaissons comment c'est géré l'affaire politique et politicien. Quelqu'un qui siège au niveau de la présidence, vous avez peur, même s'il refuse de faire quoi que ce soit, vous ne pouvez pas l'intimer lors de revenir. Aujourd'hui, le fait que la loi a prévu ça, moi j'aurais aimé que le président de la République, avec son représentant qui est le gouverneur, cet haut commissariat de Niameyala soit sous la coupe du gouverneur et il va le suivre de trop près et il le rend compte à chaque moment. Parce que maintenant, dans le contexte actuel, même le gouverneur ne peut pas intimer l'ordre à ce haut commissaire-là s'il ne fait pas son travail. Or, ce n'est pas pour rien qu'on est organisé. Et mieux, si cela est fait, le ministre des villes, ça on connaît dans tous les cas, c'est un comportement, un comportement de, la politique politicienne, soit qu'on l'admet parce que c'est le vœu du président de la République et étant élu, il a la confiance du peuple. Tout il peut comprendre et, effectivement poser un acte qu'il juge utile, qui concourt à l'intérêt du, Niger, c'est le créer le ministre des Villes. Mais je pense bien qu'il doit lui donner aussi les prérogatives d'avoir la même mise sur tout ce qui bouge par rapport aux villes. Oui. Et aujourd'hui, moi j'aurais aimé qu'on dise que là, les collectivités là, dans le cas de, de, salubrité là, les gouverneurs doivent rendre compte à tout au ministre des villes et le ministre de Ville, il rend compte au président de la République. Des situations qui dépassent leur capacité, c'est en cela que le président de la République intervient au dernier ressort. Mais si on fait de manière un peu spontanée, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. On ne peut qu'assister à ce qu'on a assisté aujourd'hui. D'accord. Et, malheureusement, malheureusement, moi je ne vois pas de voix dans le processus actuel, de voix de sortie pour ce cas de problème. D'accord, Damba. Vous êtes partenaire de la communauté urbaine de Niamey. Quels sont vos rapports avec le ministère de la Ville et de la Salubrité urbaine et du programme Niamey Niala également Nous, en réalité, nous avons juste euh, des contrats avec euh, la ville de Niamey. Mais pour revenir euh, au rôle que peuvent jouer ces, structures, parce que je parlais tantôt d'éviter la confusion des rôles normalement pour tous Est-ce qu'on n'est pas dans cette situation aujourd'hui À peu près. Parce que normalement, tout ce qui concerne les questions de voirie, c'est du domaine des autorités municipales. Moi, j'ai dans ma compréhension, s'il y a un haut commissariat à là, je crois que c'est pour mettre en exécution un programme que le président de la République a voulu. Ça veut dire quoi Laisser la mairie, la ville, dans ses domaines de compétences et essayer de créer ou de construire des infrastructures susceptibles de changer le visage de la ville. Même pour ça, en réalité, pour euh, un bon aménagement, il doit y avoir des concertations, pour ne pas de collaboration, entre le Haut-Commissariat à niamey et la ville de Niamey. Pourquoi j'ai dit ça Parfois, en érigeant certaines infrastructures, sans tenir compte des programmes d'assainissement ou de gestion urbaine de la ville, ça peut créer d'autres problèmes. Par exemple, quand vous essayez de faire euh, certaines analyses, actuellement, on constate euh, des parties de Niamey qui ont commencé par connaître euh, des problèmes d'inondation et des problèmes que ces parties là ne connaissaient pas de l'État. En réalité, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cet état de fait C'est parce que on a érigé certaines infrastructures, voire même des routes, sans étude préalable et certainement sans concertation avec euh, les services euh, techniques euh, de la ville de Niamey. Le problème de l'ascension de la ville de Niamey, est est-il lié exactement à un comportement des citoyens ou à un problème de financement Il y a les deux. Il y a d'abord, on a déjà largement parlé de, problèmes de financement. Il y a également le comportement. le comportement des citoyens. Actuellement, je ne sais pas si c'est une mauvaise compréhension de la démocratie, mais les citoyens ont tendance à comprendre la démocratie comme le pouvoir qui peut te permettre de faire tout ce que bon te semble. C'est-à-dire Ça veut dire quoi Ils ont la possibilité donc de verser leurs ordures où ils veulent, peut-être parce que, au nom de cette même démocratie, ils croient avoir une protection quelque part. C'est vrai, Sol a parlé de l'absence des dépotoirs de proximité au niveau des quartiers. C'est là où donc il devait avoir c'est une proposition que je fais. la ville de Niamey, en collaboration avec euh, les cinq maires d'arrondissement, doit se donner les moyens pour euh, mettre euh, à la disposition des ménages ou du moins des populations un nombre important de conteneurs, de dépotoirs, sensibiliser la population à travers les leaders d'opinion qu'on peut avoir dans les quartiers pour que cette population verse les déchets dans les dépotoirs les, et également enlever. Donc, euh, très rapidement, ça, sur l'ordre de la mairie, ces déchets-là pour les mettre en dehors de la ville. Autre chose, pour que, parce que même si on doit sensibiliser, on doit quand même comprendre que quand on parle de démocratie, c'est aussi l'état de droit. C'est donc, euh, je vais profiter du micro du studio Kalangu pour euh, demander aux autorités municipales de renforcer, sinon pourquoi pas de recruter assez d'agents donc au niveau donc de la police sanitaire parce que c'est une brigade qui existe qui ne joue pas son rôle parce que je ne sais même pas si sont là en nombre suffisant parce que moi je vous que dans le temps ces brigades là dans toutes les villes on les trouvait qui partaient même dans les ménages pour voir les conditions d'hygiène et d'assainissement et ils ont la possibilité de faire, sanctionner les citoyens qui ne s'occupent pas de leur propre cadre de vie. A fortiori, quelqu'un qui essaie même de compromettre le cadre de vie, l'assainissement, l'environnement de toute une population, de toute une communauté. Une dernière question pour Dambaji pour clore ce forum. Comment résoudre ce problème d'assainissement au niveau de la ville de Niamey pour résoudre ce problème euh, d'assainissement euh, à moyen terme, à long terme et à court terme, je pense bien qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre à court terme. Les dispositions à prendre à court terme, effectivement, je l'ai dit et je l'ai évoqué, je ne cesserai pas de le dire, il faut que la mairie ait un minimum. Par exemple, il faut qu'il y ait ces containers dans chaque quartier. Ces brigades, parce que je les ai entendues, qu'ils vont créer des brigades et autres. Ces brigades ne peuvent être opérationnelles que quand vous posez les jalons de la salubrité. Quand ils vont créer les jalons en déposant les conteneurs de chaque quartier, et ils disent dans tous les cas, cette brigade va s'occuper parce qu'à un passé récent, c'est ce qu'ils faisaient. Quand vous venez verser du déchet et, le conteneur est là, vous versez ça dehors, mais on vous sanctionne et vous payez. Hein. Jusqu'au commissariat, on part avec vous et vous payez. Il y a ce qu'on appelle taxe de Maintenant, ça a disparu parce que les gens ne se sentent pas liés et que ces taxes dévoilées, ils peuvent faire revenir ça, mais en posant en première position leur manifeste de bien faire, c'est-à-dire créer les conditions au moins de sécuriser les déchets en créant le cadre là où entasser les déchets et qu'ils viennent ramasser ça à chaque mois. Ils font ça durant trois mois. La population va s'habituer et vous allez voir, c'est la population elle-même qui va s'approprier de ça. Un. Deux, ils doivent revenir aussi au principe cette même démocratie donc parle. Merci Damaji Sonala. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Je rappelle que nous avons eu comme invité dans ce studio Damaji Sonala, il est acteur de la société civile, Bourema Dauda, représentant du Balarabe Assainissement. Le forum a sur la problématique de l'assainissement dans la ville de Niamey. Merci. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou demain à partir de 18h15. 15. Merci au revoir.